Euh, donc, Célina, on vient d'assister à une une assez bonne démonstration du Maputo contre le GSP euh, d'Alger. Euh, ce match s'est terminé sur une victoire de Maputo sur la marque de 86 à 73. donc Maputo, en gagnant ce match, en fait, euh, euh, se qualifie d'une certaine manière déjà pour pour pour le deuxième tour car avec euh, cette, euh, ces deux victoires et son match perdu, au pire des cas, elle serait meilleure troisième. C'est à coup sûr parce que en perdant le premier match de 16 points, en gagnant le deuxième de 14 et en gagnant celui-là de 13 points, euh, elle se met dans une position qui, d'une certaine manière, est peut-être meilleure que celle de, pour le moment, de l'Ice Douane qui n'a pas encore joué son troisième match et celle de, des forces armées de police euh, qui ont perdu deux matchs. Donc, euh, en gagnant deux matchs, elles passent devant euh, les forces armées de police directement. Quoi qu'il advienne, je pense qu'ils sont, sont qualifiés, quoi qu'il advienne. Oui, tout à fait. parce qu'il n'y a que trois poules, et dans, dans la première poule, il y a déjà des équipes qui ont deux défaites. Donc, on ne peut pas avoir de meilleur troisième. Qui, dans cette poule, on ne peut pas avoir de meilleur troisième qui réalise le, même bilan que Maputo. Donc Maputo est qualifié après cette victoire. Tout à fait. En tout cas, euh, c'est clair de ce côté. Donc on a vu en fait une équipe de, comme on l'avait dit, euh, une équipe d'Alger, de, du, GSP d'Alger qui n'est pas prête physiquement à jouer euh, quatre cartons. Ils sont trop courts, il n'y a pas de banc de qualité d'une certaine manière, puisqu'on a vu des joueurs prendre des tirs quelquefois, on se poser la question euh, qu'est-ce qui se passe On a vu énormément de pertes de balles sur des marchés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des bons appuis. Donc généralement, les, équipes maghrébines sont techniquement très très fortes. Euh, sur ces petits détails, mais pour une raison ou une autre, euh, le GSP n'avait pas un banc profond, ce qui fait que le jeu s'est basé en grande partie sur Amdini, qui, qui a marqué 33 points, mais c'est un peu comme le premier match qu'ils avaient perdu, où le match s'était basé sur Arat euh, en, attaque, cette fois-ci Arat blessé malheureusement à l'entraînement, d'après ce que on a entendu, n'a pas pu jouer ce match et ça leur a coûté euh, très cher, même si c'est vrai que ils ont encore un troisième match à jouer contre euh, le Zamalek d'Égypte, Célina. Oui, comme tu l'as dit, on a vu une équipe qui a eu deux pertes de balles, qui n'a pas su rentabiliser, qui a été très maladroite au shoot avec 41% de réussite. Donc, euh, on pense que si Arat avait joué, en tout cas, ce deuxième match nous montre que si Arat et Amdini avaient été associés de la meilleure des manières lors du premier match, ils auraient pu s'en sortir parce qu'on voit Amdini qui met 33 points, bien plus qu'Arat lors du premier match. Et on se rend compte que, comme tu l'avais dit tantôt, lors du premier match, Amdini était très bien parti, tout comme Arat, Mais ensuite, le dernier nommé a monopolisé la balle et le jeu à son compte, en tuant ainsi. Euh, l'entrain avec lequel Hamdini avait démarré ce match-là. Et euh, dans ce deuxième match, Hamdini a montré son talent et sa panoplie technique parce qu'il shoot à plus de 50% euh, à, à, deux points. Il shoot, euh, il à 50% à deux points, 50% à trois points et 100% au lancer franc. C'est dire qu'il est adroit et qu'il est très technique. Donc, on ne comprend pas pourquoi leur entraîneur n'avait pas cherché à établir une certaine alchimie entre lui et Arat lors du premier match, parce que ça leur aurait permis peut-être de ne pas se faire dominer par l'Aïs-Douane. Malheureusement pour eux, Arat était blessé sur ce match et je pense que lors du troisième match contre les Amalek, en voyant ce qu'Amdini a fait aujourd'hui, et si Arat revient, il peut faire mal à cette équipe des Amalek. L'autre enseignement de ce match, c'est que le ferroviaire de Maputo n'est pas faible. Euh, comme euh, aurait pu la laisser croire le premier match où on s'était un peu attardé sur le niveau affiché par le Zamalek. Mais en regardant les deux derniers matchs du Maputo, on se rend compte que cette équipe est très talentueuse. Euh, son seul défaut, c'est que ses titulaires jouent tout le temps plus de 30 minutes, 32 pratiquement, entre 32 et 36. pour les titulaires, c'est très élevé et c'est pas bon pour la suite de la compétition. En tout cas, on le dit depuis le début, mais pas le réussi jusque-là. Bon, après, on va voir ce que ça va donner sur la durée. Oui, tout, tout, à fait, Et aussi, il faut remarquer qu'il y a eu l'absence de Barou euh, au premier match contre cette équipe de Zamalek. Je pense que le match aurait peut-être eu une différente conclusion hein, si Barou avait été présent pour euh, ramasser tous les rebonds qu'il ramassait, serait permis à Machete, de aussi avoir d'autres rebonds et serait peut-être plus euh, euh, pu rééquilibrer cette équipe et le résultat que qu'il y a eu au premier match serait peut-être différent serait peut-être un match à coûter de tirer où le Maputo aurait pu euh, tirer avantage euh, de cela malgré la maladresse d'un Bongo qui est devenu meilleur lors du deuxième match et du troisième et aussi le troisième match aujourd'hui il a assez bien joué malgré tous les lancers francs qu'il ratait. Euh, cette équipe de, Maputo finalement sur, le plan stratégique a montré de très très bonnes choses et comme tu l'as dit le seul problème c'est qu'ils n'ont pas pu utiliser leur banc, essayer de d'aller un peu plus en profondeur dans leur banc pour, pour, leur donner du temps de jeu, ce qui aurait permis de les mieux de mieux les préparer pour un quart de finale. Parce qu'à partir du quart de finale, euh, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus d'erreur. C'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres à la maison. Et donc euh, nous en sommes à cette situation là, Célina. Oui, mais euh, moi à un moment donné je un peu d'essayer de voir l'entraîneur de Maputo ne va mettre, euh, faire tourner l'effectif. Mais à un moment donné on peut le comprendre parce que par rapport au positionnement entre la première et la première et la troisième place, le goal différence euh, va jouer, et la différence de points va jouer. Et maintenant, s'il s'il peut, sur ce match-là, gratter des points qui lui permettent d'avoir une différence positive, il le fait pour éviter certaines certaines équipes au deuxième tour, parce qu'on a vu Luis Monastir qui met pratiquement 100 points et plus à chaque match. Ils ont mis 113 lors du premier, 99 lors du deuxième, et ils montrent un niveau et une maîtrise parfaite. Si les titulaires jusqu'à la fin pour lui permettre euh, d'améliorer sa différence de points positifs et d'éviter ces équipes-là, euh, je pense que c'est tout à fait justifié qu'ils puissent euh, se positionner de ce côté-là. Et moi, à un moment donné, je l'ai compris parce que l'écart montait jusqu'à 20 points et par moment, ça, redescendait au gré des, réactions d'orgueil euh, du GSP. Donc, euh, il a joué la prudence de bout en bout pour sécuriser sa qualification et surtout essayer de grappiller des points pour qui peuvent lui permettre de se positionner euh, afin d'éviter certaines grosses pointures dès les quarts de finale. Oui, oui, non, non, mais tout à fait ça, c'est clair. Il était obligé de faire ça. Je m'attendais seulement peut-être un peu, cest ne pas enlever obligatoirement le 5 majeur en entier, mais peut-être ajouter euh, deux autres joueurs qui n'étaient pas dans cinq majeurs, juste les tourner par exemple spécialement au, au quatrième carton, euh, les faire venir jouer deux minutes, trois minutes, sortir et, et, et, et faire de cette sorte-là. Et peut-être qu'il aurait pu un peu plus donner d'expérience, mais comme tu l'as dit, c'était important d'assurer cette victoire. Et quand on se base maintenant sur euh, sur les statistiques, on se rend compte que euh, cette équipe, euh, parce que le score euh, est beaucoup plus important, le score ne, ne, donne pas la, vraiment la réelle physionomie de ce match. C'est un match à plus de 20 points, mais à la fin, il a fait sortir tous les cinq majeurs, les, les, les, remplaçants sont rentrés et ils jouaient contre les cinq majeurs de l'équipe du GSP. donc, ça leur a permis de revenir à la marque. descendre de 20 points à 13 points. Et quand on regarde les, les statistiques, on voit que finalement, à la fin, euh, le GSP meilleur euh, taux de réussite 41% contre 39 à Maputo. Euh, mais au niveau des lancers francs, Maputo a tiré quand même 41 fois pour marquer 29 fois. spécialement Kabongo qui en a raté quand même pas mal dans ce match et je crois qu'il faudrait qu'il s'applique de ce côté parce que ces lancers francs feront la différence dans des matchs, le match des matchs de quart de finale. Les lancers francs, il ne faut pas blaguer avec il faut les marquer. Et bon, ils a eu une nette domination au rebond 55 contre 39, 24 euh, passes décisives contre 14 parce que leur jeu était beaucoup plus fluide, euh, la base circulait beaucoup plus, il y avait des paniers faciles sur contre-attaque. Euh, au niveau des vols de base, 8 à 7 pour Maputo, donc il n'y a pas une très grande différence. Des blocs pareils, 3 à 2 pour Maputo, il n'y a pas très grande différence. Euh, en perte de balle 18 à 16, GSP 18, Maputo 16. Euh, Donc en fait, c'était un match euh, qui, on peut le dire, n'avait aucune issue pour le GSP parce que, bon, sans banc, avec une seule personne qui marque presque tous les points, une, équipe qui a des problèmes pour avoir des rebonds. Euh, n'a pas été, n'a pas été utilisé, à mon avis, assez pour pouvoir euh, aider au rebond. Euh, ça, ça, a coûté cher parce que je crois que l'entraîneur a donné l'impression de baser sa stratégie sur l'attaque, mais euh, comment gagner un match si on ne fait pas la défense, euh, Oui, c'est clair, parce que comme on l'a souligné un peu temps, ils ont agressifs en défense, il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu énormément de déchets et tu l'as souligné, le GSP a fait énormément de fautes, a donné énormément de lancers francs à cette équipe de Maputo en première mi-temps, le nombre de lancers francs pratiquement doublé la différence de points en, à, la mi-temps, ce qui montrait que c'est eux en fait qui euh, donnaient euh, <clears throat> un peu les, points à cette équipe de Maputo parce qu'il faut être agressif dans le set, il faut montrer qu'on ne laisse pas de points faciles, mais il ne faut pas également tout le faire des fautes parce que déjà ça place euh, son équipe dans le bonus très rapidement. Ensuite, ça permet à l'adversaire d'avoir des lances francs et donc des points faciles sur la ligne s'il s'applique. Et on a vu que l'équipe de, de, Maputo s'est beaucoup appliquée sur les lances francs parce que, par exemple, Kabongo en a eu 12, il a mis les 9. Euh, Massa a mis 7 sur 9 également. Euh, Mouchate a mis 5 sur 6. Baru euh, Barou a le plus faible taux au lances francs et il en a mis 50%. Il a mis la moitié de ses lance francs. C'est dire que cette équipe à maximiser sur les lancers francs pour un peu accroître euh, son avance dans le match. Et quand on prend les points qu'ils ont mis au lancer, euh, c'est 29 points. Ils ont mis 29 points sur la ligne des lancers francs sur 41. Ces 29 points-là, c'est plus que l'écart du match. Donc, si l'agressivité a été positive mais bien maîtrisée, ils auraient pu éviter peut-être cette défaite-là parce que dans le jeu, euh, ils n'ont pas fait jeu égal, mais ils sont parvenus à limiter les dégâts. Ils sont appuyés sur Hamdini pour faire la différence, mais en défense, ça a énormément pêché et ce nombre de fautes-là le montre. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, à la suite de cette victoire de, de Maputo, Maputo prend la tête de ce groupe C, vu que Zamalek n'a joué qu'un seul match, donc elle aura cinq points, donc une victoire euh, deux victoires et une défaite, lui pour le moment de l'Est Douane qui jouera son match contre Zamalek euh, demain. Euh, qui a une victoire et une défaite avec trois points. Euh, le Zamalek euh, qui n'a joué qu'un match et une victoire, donc à deux points et on attendra probablement le match de demain pour voir après deux matchs où il se situe. Et n'oublions pas que eux, ils jouent un troisième match contre ce GSP le lundi, le dernier, le match qui n'a pas pu se jouer durant cette semaine. Donc on invite euh, pour ce match, on peut dire à nos auditeurs que donc on a une victoire ici euh, de de, de, de, Ferrovario de Maputo sur le GSP euh, d'Alger sur la marque de 86 à 33 et nous les invitons à garder l'antenne pour suivre les matchs qui vont se, qui vont suivre. Nous avons le match euh, suivant qui, va se dérouler euh, euh, d'ici, disons, une heure de temps et qui va opposer la belle équipe du GNBC qui a joué un très grand match de basketball contre les, les Patriots du Rwanda. Ils joueront contre les Rivers Hoopers. Et donc, on leur donnera un rendez-vous euh, tout à l'heure pour suivre ce match qui reste euh, sur nos bandes FM à Bangui 101.7, sur à Brazzaville et Kinshasa sur les bandes 104.3, à Matadi, Mbujimbaï et Kananga sur les bandes sur la bande 93.5, à Pointe-Noire sur la bande 98.3, à N'Djamena sur la bande 93.1, à Dakar sur la bande 102, à Lumumbashi sur la bande 102.8, à Bukavu sur la bande 97.4 à Goma pour la bande 96.2, à Kisangani sur la bande 97.7, à Abidjan sur la bande 99, à Ouagadougou sur la bande 102.4, à Niamey sur la bande 102.5 et à Lomé sur la bande 102.3. C'est Eugène Pewa depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC et Célina euh, depuis euh, Dakar. On vous donne rendez-vous pour le post-game euh, qui va suivre dans un moment. En tout cas, nous avons pour nos auditeurs de la Voix de l'Amérique euh, la cerise sur le gâteau. Il y a deux jours, euh, notre reporter de la Voix de l'Amérique ici, Cheikh Tcherno a pu finalement avoir euh, le président de la Ligue africaine de basketball euh, euh, à qui il a posé certaines questions par rapport euh, au déroulement de cette compétition, qui est nouvelle, quelles sont ses impressions après un départ et le président de la Ligue africaine de basketball a pu donner toutes ses impressions, le fait que aujourd'hui la Ligue africaine de basketball non seulement c'est au niveau du c'est au niveau non seulement des matchs, mais c'est aussi l'ensemble de tous les gens qui ont pris part à ces camps de, de, de, de NBA Out of Border, euh, dont Cheikh Tcherno d'ailleurs euh, euh, faisait partie de ce groupe de jeunes qui maintenant aujourd'hui travaille à Voile de l'Amérique et travaille dans le département du sport et couvre cette compétition et nous travaillons ici. Donc je vous laisse suivre cette interview avec beaucoup d'intérêt et je peux vous dire que vous serez satisfait par les réponses du président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Fall Gallo, euh, qui a pu, euh, il y a deux jours, depuis Kigali, s'exprimer sur le niveau de la compétition, s'exprimer sur le côté organisationnel et aussi s'exprimer sur une projection dans le futur de ce que ça pourra apporter euh, à notre basketball professionnel sur le continent africain. Donc écoutez, je vous laisse écouter et déguster cette interview. En fait, c'est symbolique l'objectif a été toujours d'essayer de, bâtir une industrie autour de notre sport, euh, ce qui veut dire qu'au-delà des joueurs qui sont sur le terrain et des entraîneurs, euh, il y a énormément d'autres métiers qui s'affairent autour du sport. C'est ce que nous voulons dire quand on parle de la Basketball Africa League comme, un, moteur euh, de développement socio-économique en Afrique. Comme tu as pu le voir, l'histoire a été faite. le 16 mars, le dimanche dernier, Mhm. Euh, il y a eu euh, beaucoup d'émotions et je crois dans les préparatifs, mais heureusement, euh, tout s'est très bien passé avec une audience panafricaine et mondiale. les matchs, comme tu le sais, sont retransmis dans 215 pays en 15 langues. Mhm. Et dans tous les coins du monde, c'est l'objectif, c'est justement de partager cette expérience avec tous les fans de basket au monde et au-delà. moi, je prends beaucoup de plaisir m'asseoir ici euh, euh du terrain et puis de regarder des équipes, 12 équipes différentes euh, qui viennent de 12 pays différents avec euh, un style de jeu différent, mais qui compte vraiment beaucoup de qualités techniques, athlétique et physique. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a un très beau produit qui est en train de se vous pensez que c'est un problème de recrutement pour l'équipe du Nigeria euh, qui vient juste de perdre leur deuxième match contre l'équipe tunisienne après avoir été battue par l'équipe du Rwanda au premier match Ou bien c'est le point focal, c'est sur les joueurs locaux là-bas de s'exposer pour la NBA Moi, je suis persuadé que le Nigeria va rester euh, un, point fort des leaders euh, dans le basketball en Afrique. Parce que même en dehors du talent qui est en Amérique et dans la NBA, il y a du talent dans le pays même. Mhm. Alors je pense que la UPS, c'est que je crois savoir qu'il n'y a pas eu de championnat régulier. Mhm. Euh, depuis que cette équipe s'est qualifiée, je ne pense pas qu'ils jouait régulièrement et cela se voit. Je suis sûr qu'ils peut montrer euh, un bien meilleur visage. Euh, de, qui va aller aux Jeux Olympiques pour représenter l'Afrique. J'étais de jouer dans plusieurs pays. Mais pour le moment, on se plaint pas du tout. Kigali Arena est une infrastructure fantastique et je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux en Afrique. Organiser ces Vous pensez que les prochaines des années à venir, on va router en Afrique, c'est ce que vous voulez, vous voulez dire Et le, ce tournant-là, on peut euh, envisager de voir ça dans un autre pays africain, parce qu'avant que ça commence à, Kigali, on avait entendu que ça allait se passer à Dakar, et au Sénégal. en fait, le, le, format, c'était de jouer dans six pays différents, de jouer la saison régulière dans six pays différents, et de venir à Kigali pour jouer les finales, après les, les playoffs qu'on va jouer ici la semaine prochaine. Mm. Mais bon, euh, comme vous le savez, les conditions ne le permettent pas, mais notre objectif, c'est de retourner dans notre format originaire euh, le plus tôt possible, qui était mm. de euh, jouer dans, euh, dans sept villes différentes, dont inclut Kigali, parce qu'on avait désigné ces villes qu'on devait commencer à Dakar, mm. après on allait à Monassir, à Luanda, à Lagos, au Caire, à Rabat, et pour finir euh, le, le euh, les, compétitions de saison régulière et après les top 8 étaient qualifiés pour venir à Kigali. C'était le, format original. Voilà, on a été obligé de tout faire. On, devait jouer 38 matchs dans le format original. Et maintenant, bon, ça a été réduit à, à 26, bon, ce qui n'est pas mal. Euh, mais en tout cas, on veut juste finir en beauté et puis repartir pour, mieux se préparer pour la deuxième saison. On voit maintenant que les équipes favoris, c'est les Patriotes du Rwanda et c'est la Tunisie. les gens pour se concentrer beaucoup sur le Sénégal euh, qui a fait une défaite euh, très dure hier euh, à la dernière minute du match. Il y avait d'autres équipes maghrébiennes qui sont en train de vraiment jouer. L'Angola a ensuite décroché son ticket pour le prochain étape. moi, que je suis est vraiment très satisfait du niveau. Et je sais que pour un début, euh, je vois des équipes très compétitives. Il y a, eu des matchs disputés euh, hier soir, très, très, très, euh, très intéressant. Je suis sûr que pour défendre le basket partout, il y a du jeu, il y a du jeu sur le terrain, il y a de très bons athlètes. surtout aussi, aussi bien des joueurs du CRU que les joueurs recrutés. D'ailleurs, l'équipe de Monastir se présente très bien. Et puis avec comme euh, la plupart de nos joueurs sont dans l'équipe nationale. Petro est impressionnant. La zone joue un style qui est euh, il euh, voir et puis bon, ils sont très très acharnés en défense. Euh, moi, j'aime euh, l'équipe de FAP du Cameroun. Mhm. bon, les résultats ne, le démontrent pas encore sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont eu des très costauds adversaires, mais c'est une équipe qui se bat, qui a, les individualités, le jeune Aruna euh, euh, qui est du Niger, euh, moi je m'a beaucoup impressionné. Alors je pense que sur toute la ligne, hier soir, c'était un match, hier après-midi, un match hyper disputé entre GNBC du Maroc de Madagascar et les Patriotes euh, du Rwanda. tu vois, il y a des matchs intéressants et c'est pourquoi je suis hyper emballé pour voir les playoffs qui vont commencer la semaine prochaine, mhm. voir quelles sont les, huit équipes qui vont se qualifier. Et puis, je suis sûr que ça va être une compétition euh, très, très, très difficile. Le président de la Ligue africaine de basketball. Euh, nous invitons tous nos auditeurs de la Voix de l'Amérique. Euh, à Bangui, à Brazzaville, Kinshasa, Matadi, Mboudi, Kananga, Pointe-Noire, N'Djamena, Dakar, Lumumbashi, Bukavu, Goma, Kisangani, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Lomé, d'être prêt à regarder ce match euh, d'ici une heure. Euh, donc ce sera, disons, euh, à Kigali, si je ne me trompe pas, à 11h30 heure de Washington. Il sera à Kigali, euh, je crois, 16h30, euh, 17h30 euh, plutôt, à, à, Kinshasa 16h30 et à Dakar 15h30. Donc ici Eugène Pewa Pedema depuis la Voix de l'Amérique et Sedina Abba Gay. Nous nous retrouvons à l'entre-deux pour voir ce match-là et nous espérons vous avoir euh, sur notre chaîne pour suivre euh, le reste des matchs. Euh, surtout que demain, nous aurons aussi trois autres matchs. je me permets de, donner les matchs de demain qui se joueront entre le Zamalek et l'Alès Douane, qui un match qui compte énormément pour ce groupe C. les FAP du Cameroun contre l'AS Police dans le groupe B qui compte énormément pour le match de troisième meilleur et l'AS Salé et le Petro de Luanda pour une finale de ce groupe qui déterminera qui est premier et deuxième de ce groupe. Donc euh, nous vous euh, retrouverons très bientôt euh, pour suivre ce match qui démarrera dans un instant. Bienvenue à vous, chers auditeurs. VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA et nos radios partenaires. girl say make you go ten two. She dey ask if I go chop banku. Ha, I go chop banku. Mommy say I go chop banku. With the way you dey do your sexy wine, why I no go chop banku? Got your baby